la moo euh, nga gis dee bu te mënoo dara arriver à tout moment beaucoup ko dundee métti na boo gisee un membre de ta famille qui vit c'est la même chose neexul quoi donc euh, les autorités nee nañ n'ont pas les moyens ils se mettent juste à la place des parents et des familles hein ci nga xam ni ñoo parce que kenn ku ci ne ci ñoom waxuma la seen doom ne ba fa seen jarbaat laa wax neewoon sax dinañ trouver moyen pour jëli ko Sénégal amul moyen je pense que ce n'est pas une réponse même bu fekkee le Sénégal amul moyen d'accord mais qui utilise ces relations En France bi fi dem barki rapatrier euh, plus de 300 personnes envoyer deux avions mais 13 personnes Si nous xaj nous, si nous liaison France il faut que nous nous disions. l'État l'État dafa pas ni eh, en fait on n'a pas les moyens c'est trop facile je suis désolé mais là, au moins on les suit de près y a ah, des question de suivre Tout série télévisé. il faut réagir il faut passer à l'action le président Macky Sall nous même c'est son devoir de les rapatrier mais a fait le devoir C'est ce qu'il faut def en tant que musulman en tant que président en tant que père que se mettre à la place des des familles des autres il faut solution. il est désespéré il est désespéré mais il essaie de tenir le coup il est obligé parce que panique a dara en fait xam tenir le coup mener le combat faire des vidéos écrire des lettres lancer pour que le gouvernement bu jot mais le gouvernement bu jotee pas. réaction